noté dans le cadre du dialogue social. Notre pays a fini d'institutionnaliser le dialogue social. Mais camarades, la grande question, c'est la qualité du dialogue social. Qu'est-ce que nous faisons avec les résultats du dialogue social Est-ce que nous respectons nos engagements Voilà la grande question pour notre pays. C'est un défi à relever. Camarades, nous sommes réunis également autour de priorités essentielles dans la coalition. Il y a d'abord la question des négociations en cours avec le gouvernement. heures de travail, de travail légitime à partir du 1er mai 1886. Quelques développements, grèves, etc. ont été accueillis par les travaux, demandant 8 heures standard de la journée de travail. Après 5 ans, le 1er mai a été placé comme une occasion nationale. Veut se faire entendre. Aujourd'hui, la fête du 1er mai survient dans un contexte tout à fait particulier. Mais je voudrais auparavant saluer la présence de M. le ministre et saluer sa disponibilité la depuis beaucoup de temps, la présence du Conseil du dialogue social est de subir un tournant extrêmement important avec la quatrième révolution industrielle, celle virtuelle qui virtualise même le travail, qui virtualise la production, qui robotise la force du travail. Pour construire un building jadis de 20 étages, il faut des centaines et des centaines d'ouvriers. Aujourd'hui, il en faut 5 seulement et les robots. Vous n'avez plus besoin d'aller à la banque, votre smartphone vous sert, vous sert de banque. Les établissements financiers et les banques, si on y prend garde, vont disparaître. Tous ces emplois vont disparaître. Et vous serez des employés sans salaire parce que vous utilisez votre smartphone pour retirer de l'argent chers invités, notre camarade Mamadou Diallo, que je vais citer ici, secrétaire général au niveau de la CC internationale ici présent avec nous. Chers camarades travailleurs, bienvenue à la place de la nation sur ce lieu symbolique en cette journée internationale d'expression revendicative

voulons bien les cités mais le temps ne nous le permet pas, mais gis nañ leen yéen ñëpp gis une fédération yëpp yi fi daje. Je voulais surtout parler au nom génération yi dafa doy waar ci seen liggéeykaay la coalition les camarades qui m'ont devancé tout à l'heure pour égrener, certaines revendications. Il s'agit bien sûr de reconnaître les efforts qui sont fournis par le gouvernement. Mais nous disons ici et tout haut que les travailleurs du secteur privé attendent que les négociations en cours s'achèvent avec une augmentation des salaires des travailleurs du secteur privé une augmentation de la prime de une augmentation du SMIC. Nous attendons à ce que les, nos partenaires employeurs du service de l'hôtellerie et que l'État également soit notre aide attentive à nos doléances en ce qui concerne la suppression des équivalents. Entre le 21e siècle, il n'est plus question et admissible et sous la crise qui perdure et ñi de syndicat yi yéeg ci waxtaan waaw waaw waaw waaw waaw avancé day avancé baaxul baaxul dama bëggoon tàmbali wax ñaari kàddu jagleel ko ki nga xam ne mooy suñu maître de cérémonie ndax nag am na loo xam ne daf ko waxtaan ak ñun yegg ma ci kàddu waaye moo am solo tubaab ci bàyyi ko te ñëw mu ne ñu li mu bëgg tàmbale mooy hymne national ñu déglu ko commentaire bi ñu ci teg mooy loolu de ñun ñoo ko bokk kenn mënu koo xañ sa morom ca ku nekk sa waasoo ñu ñaanal ñan ay ñoo xam ne barki démb démb ñu rek ñaan